tous à la fada de ke ah, oh, et qui nous suivent grâce à nos 41 radios partenaires et au-delà. Vous êtes bien calé, calés, j'espère bien. Alors vous devez retrouver pour wannan shirin namu da studio Kalangu take sarrafa ma matasan Niger. Bana dai annobar ta COVID-19 ta cakula abubuwa da Et dans son bouleversement, elle n'a même pas épargné le Ramadan. Tout de dai mardi 12 mai passé, un communiqué officiel à la voix du Sahel yana ba mu albishirin bude

sukarin an kawo ko da yayi bloke <laughs> a frontier ku bi mu sau da kawa tare da wa'annan bakin namu da muka gayyato a yau a fada nan siya cikin studio kalangu kwara kano zainab loket eh, elasa startup eh, art consult niger amma an yi sananta cikin tiyatar zainab saba saba kina lahiya lahiya lau ya azumi to azumi alhamdulillah to a wannan fadar kuma na tare da papis ce muku shi kuma animator kin blue open sen saba papis ya kake ai saba je bien ne kina lahiya ko lahiya lau On Wancan Luku. Fata Katam, comment la tara da Zainab Boubacar, jeune étudiante. Ça va, Emata Ça va très bien, je suis Alhamdulillah. Ça nous croise parce que nous tous à la Fada. Mais que serait la Fada sans musique Sa chronique. Olivier, ça va Ouais, ravi, je vais très bien et toi Yanné. Tranquille. Yeah, mais comment on a réussi filles Là, ça c'est plus fort que moi. <laughs> Carrément même. Tu vois alors Tu uh-huh. ne Tu m'apprends pas la langue, tu viens me piéger sur une émission. Non, j'ai dit que tu es venu avec quoi Ouais, je suis uh-huh. ravi, tranquille. La fois on avait parlé du don, n'est-ce pas Tu te rappelles mm-hmm, mm-hmm. Aujourd'hui, on va parler d'une manière beaucoup plus large de la solidarité nationale. Qu'en est-il aujourd'hui dans nos sociétés Ok. Ah, ça, c'est bah, géant. Bonne émission à toi, on se trouve à la fin. Merci, Olivier, à tout à l'heure. Nous aurons également la nouvelle rubrique da don da ke sarrafa ma wannan fadar a kowane sati yana hira da an artist da yake ba da gudunmuwan shi bisa kan faɗakarwa bisa kan wannan ciwon na covid-19 Voilà, comme d'habitude, les autres jeunes da bossa, samu suka zo wannan fadar tamu za su gaya mana su a wannan azumin Yayane suka yi shi. Ils ont réagi sur notre fil WhatsApp du studio Kalangu avec madame Corona Vraiment cette année le Ramadan est venu dans un temps où on ne peut rien dire que remercier le bon Dieu parce que le venu dans un moment très délicat avec une pandémie, une maladie. Bon, en général, ça nous ennuie. Vu qu'on est des jeunes, on est habitué à sortir de le ramadan la nuit, à veiller jusqu'au matin les, mesures prises à cette confinement, vraiment ça nous ennuie en général. Le Covid-19 avec le ramadan, tout d'abord, il faut savoir qu'on passe un ramadan hors du commun, du jamais vu dans notre pays. Mais comme on dit, la santé n'a pas de prix. Mieux prévenir que guérir, on limite nos sorties. Et pour sortir, c'est pour aller au marché. Faire les ravitaillements de 5 10 jours. Là, le mois de Ramadan est en train de se passer jusqu'à là avec Covid-19 coronavirus. Vraiment, pour le dire à haute voix, le Covid-19 nous empêche de faire les activités économiques, sociales et la pratique religieuse. Compte tenu de la fermeture des lieux publics, la population est aliénée par les forces de l'ordre. Bon, cette année, le ramadan a été très différent de celui des années passées. Bon, avec le confinement et le Covid-19 qui traîne toujours, on passe tout le corps de notre temps à la maison, donc euh, ça devient un peu plus facile. J'ai un peu euh, mal passé mon ramadan avec ce Covid parce que ça m'a empêché de faire beaucoup d'activités. Donc, euh, des activités rémunérées, quoi. Parce que c'est avec ça qu'on arrive à, à survivre. Donc ça, c'est un. Ah, deuxièmement, ça m'a il y, a, il y, a, aussi le côté positif, ça m'a permis d'être tout le temps à la maison près de mes parents, les aider à faire autre chose. yanzu kun shi wa'annan matasan namu fadar muna tare da amare kamar zainab muna tare da 'yan mata da samari ke zainab muhara gare ki amarya <laughs> ya cika wannan azumin to gaskiya azumin ga dai ba kamar wa'anda suka huce ne ba saboda azumin bana gaskiya babu zuwa gidajen mutane kamar mutane su yi invitan kuku zuwa shan ruwa a taru ko kuku yi invitan mutane su zo a taru gida ana hira da dariya a sha ruwa in nan babu shi duka kullum dai kuna kumshe cikin gida kuma ga zuwa sallah ba a zuwa masallaci a tai yi nafila sai in kana gida kai kadai babu wannan kokarin wallahi har lokacin wuce ma <laughs> babu wannan kokarin nan sai dai ka yi yau gobe ba ka yi haka nan dai ana nan ana ta kame kame gaskiya mun ga dai eh, jarabta za a ca hmm. wagga shekara abin sai a hankali to ku samari papis ya ne je vais je vais me de son côté parce que bon ah. comment azumi da covid 19 ça n'a pas été du tout facile parce que nous, ce que nous connaissons, même quand c'est le mois du ramadan, les gens sortent la nuit. Rien que pour la prière collective, ce n'est pas du tout facile. Je passe toute la journée à gêner la nuit, on m'empêche d'aller euh, prier collectivement. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça fait très mal pour moi en tant que musulman et en tant que jeune aussi. Avec le ramadan, nous sortons, oui, il faut le dire, ça ne nous empêche pas d'aller faire nos petits micmacs dans la ville et revenir avec le couvre-feu. Ça ne marche pas. Mais il y a un point qui est là. Euh, le fait que le couvre-feu a empêché à beaucoup de jeunes de pratiquer leur métier qu'ils font, surtout la nuit, à partir de 19h de le mois de Ramadan. On sait bien que passer le mois de Ramadan sans un sou, sans travail, c'est pas du tout facile. Surtout, euh, je mets le point sur ça pour ces jeunes, ça peut pas être facile. Nous, ce n'est que les sorties, la distraction, oui. Et ceux-là qui doivent travailler pendant même le mois de Ramadan ou bien encore, je ne peux pas rendre visite à ma famille, aller en famille, faire des ruptures collectives, ça n'a pas été du tout facile. Madame Corona, comme vous venez de le dire, <laughs> a, vraiment mélangé les choses. Ah, on dirait qu'on n'est pas dans le mois de Ramadan. Il faut seulement être musulman pour le savoir. Je gêne, je sais que je suis dans le mois de Ramadan. Sinon, ça ne ressemble pas aux autres mois. Euh, c'est un ravitaillement. Euh, c'est toujours pas facile avec euh, les mesures les émettes, les bavettes. C'est pas du tout <laughs> facile. Souvent, on s'étouffe même. on s'étouffe dans <laughs> les bavettes. Oui, <laughs> tu jeune et tu as des bavettes, euh, une bavette sur toi, c'est pas du tout facile. Même pour t'adresser euh, aux commerçants, bah, c'est un problème. on n'a pas de force en fait. Ouais. Donc, c'est pas facile. Dans toutes euh, ces contraintes liées à cette crise sanitaire, qui est ne kika hijin yan wani shi cikin dukkan wannan contract kin ga azumi kuma kuma hallo ita kuma ko birkin wannan gata to ni dai gaskiya abin da ya bani wahala zuwa kasuwa saboda ni eh, ban da mai aiki ni dai nake zuwa in yi to in zan tai kasuwa gaskiya ni covid yana ba ni tsoro kwarai ya oh, ba wallahi kamar <laughs> ina gani cikin facebook da ne su ni ma kamar in sa in ta yi shi wallahi abin ne yana ba tsoro in ka je eshanjan kuɗi da commerçant c'est tout un problème a ah, chaque fois je suis stressée ban san kuɗin wanke su zan ya ne ni dai shi dai ne abu ya bani wahala exchange in nan na kuɗi zuwa kasuwa eh, interaction avec le commerçant voilà matsatsi da ke wallahi shi dai ne <laughs> yake bani eh, wahala et eh, c'est en ce moment même que quelqu'un va tousser à côté de toi pour te laisser plus <laughs> masu zuwa suna sai da maka abu ya zuwa hajji ya ki sai ka <laughs> Allah ce da Allah ban sai Et même dans le taxi, quand tu n'as pas un moyen de déplacement. Je te jure c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. en fait, la personne, elle est dehors, elle est en train de parler. qu'est-ce qui a été compliqué pour vous Bon, les sorties, on ne peut pas sortir. Ah, ah. C'est tout parce que. Eh, euh, parce que euh, je ne sors pas de trop. Sur le mois de Ramadan, et euh, le mois de Ramadan, il n'y a pas d'activité. Ce que nous faisons, on ne peut pas le faire dans le mois béni. Donc, forcément, même s'il n'y avait pas le Covid, nous allons rester à la maison. Mais avec le Covid, là, nous, on ne peut pas sortir. C'est surtout et surtout les sorties. En tout cas, moi qui m'ont manqué, je ne suis pas habitué, je dois sortir au moins pour aller à la FADA. Ouais. J'étais obligé de créer une fada de la maison. Aïe, aïe, aïe. Être cloué entre quatre murs, c'est pas facile pour un jeune, hein. <laughs> sérieusement. C'est ce qui m'a vraiment euh, dérangé. Moi, wannan mata ce mana komi akwai mata na kuma suma wannan yana diranjan su voilà to voilà je savais que quoi ça m'a ah, manqué aussi quoi zuwa dan restaurant in gari prendre une glace des pizzas non mais ça ça nous a vraiment manqué il y a des frustrés par là hein. <laughs> covid kin yi n'a pas été facile pour uh, Mata sawan da muke tare da su anan fadar kuma na san da hallo ba su kadai bane da yawa son d'accord avec nous a suna ce don da ya ta hira da wani artist cikin wannan rubrikin tashi yanzu mu shurare shi mu ji tare wane ne hira wane ne ba da wannan wasiƙa tashi ta faɗakarwa bisa kan covid-19 mu shurara mu Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous. Un mal aussi risqué que dangereux. Le Covid-19. L'artiste s'exprime. Nous sommes de loup contre le Covid-19, ladies and gentlemen. Euh, artistes engagés contre le Covid-19, vous le savez, c'est une rubrique de votre émission Tous à la Fada. Une rubrique qui met l'accent sur les initiatives émanant des artistes nigériens qui parlent de leur contribution dans la lutte contre le coronavirus. Nous recevons euh, pour ce nouveau numéro de la rubrique un titan un bulldozer de la musique urbaine nigérienne. Il faisait partie du groupe euh, Black Daps qui est devenu par la suite Block Black Daps avant d'entamer une carrière solo depuis pratiquement 10 ans. Eh, aujourd'hui, vous le savez, euh, chers auditeurs, nous recevons l'artiste, chanteur, rappeur, beatmaker Danili, accompagné du collectif, parce qu'en fait, il n'est toujours pas seul, il faut le dire. Alors, Danny. Bonsoir, je te souhaite la bienvenue. <laughs> Salut Dandy, ça fait plaisir, franchement. Euh, merci pour l'invitation et euh, je suis très content de voir que on est dans un vrai studio. Voilà. <laughs> et, tu, sais aussi que c'est la fête, <laughs> donc on va profiter de l'occasion pour dire Barcade de Salah à tous nos amis auditeurs et auditrices qui kiffent cette émission. En tout cas, pour ma part, vraiment, euh, voilà, bonne fête à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. Super. Danili, artiste rappeur, désormais producteur, initiateur donc du projet Situ comme cette chanson Protège ta lèvre qui fait actuellement le buzz, on l'a vie sur la toile, tout le monde en parle aujourd'hui. Parlons un tout petit peu de cette chanson, parlons un tout petit peu du contenu Bon, d'abord, euh, il faut que j'annonce au public, même si euh, ils ont vu ça sur les réseaux sociaux, et à ceux qui n'ont pas de oh, des smartphones et tout. Donc voilà, je, j'informe quand même que, euh, mis à part que je suis un artiste solo d'Anili cette année pour pour vraiment lutter contre le Covid-19, on a créé euh, voilà, un collectif du nom Point levé, euh, point levé pour la liberté, point levé pour l'expression. Notre premier titre, comme tu l'as dit, c'est un son qu'on appelle Protège ta life. Pourquoi Protège ta life Je voudrais avoir une idée du contenu de cette chanson, Mr. Danili. Ouais, mais c'est très simple hein, cette chanson parce que voilà, Protège ta life, c'est. Euh, euh, quelque part, protège ta vie. Mhm. Parce qu'on a bien vu que, voilà, dès que euh, le coronavirus euh, a atterri, voilà, en Chine et ça a infecté les, grandes puissances et que ça a débarqué en Afrique. Voilà, tout d'un coup, voilà, nos dirigeants nous ont informés de se référer aux, structures sanitaires et de pouvoir se protéger par rapport au Covid-19. Et nous, notre titre, c'est tout simplement protège ta vie. Et pour protéger la vie, il faut qu'on écoute les consignes et respecter les consignes. Et les consignes, tu les connais, c'est voilà la distanciation, la distanciation, <laughs> euh, laver, régulièrement le euh, voilà, porter le euh, masque, sortir si nécessaire, <laughs> éviter les embrassades. Je sais que tu aimes ça. <laughs> Alors on sait aujourd'hui que tu es kiffé à travers le Niger, que tu as beaucoup de jeunes qui te kiffent. cette émission est consacrée justement à la jeunesse nigérienne. Alors je voudrais un message de la part de l'artiste pour toucher cette couche, les jeunes. Oui, je pense que pour ceux qui me connaissent quand même dès le début, j'ai été toujours euh, l'ambassadeur de la jeunesse. Euh, j'ai toujours défendu la jeunesse parce que quelque part je viens du ghetto, voilà quelque part voilà je viens du banco pour, bien dire les choses. J'ai voilà <laughs> donc quelque part c'est mon devoir de défendre cette jeunesse et voilà cette jeunesse la seule manière de la défendre, c'est de, l'informer et de le sensibiliser. Donc, euh, par rapport au coronavirus, les amis, protégez vos vies parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Et la seule manière de respecter la vie, c'est d'écouter et de la protéger. Alors jeunesse, jeunesse, protégez vos vies. <laughs> Merci en tout cas Danili. On va donc finir cette émission, Mr Danili. Ok d'accord. Et certainement tu as quelque chose pour tes fans qui te kiffent. alors je parle parce qu'en fait euh, tu as, tu, as, la musique dans le sang et quand tu fais de la musique on te sent. Alors euh, qu'est-ce que tu vas me faire en fait Yeah yeah yo Corona Corona, t'as décimé ma famille sans mon consentement. Partout où tu apparais, tu ne sèmes que l'amour brutalement. Dans nos cœurs, sa raison, tristesse, douleur, désespoir profondément. Hey. Partout, yeah. <laughs> Alors Dani, merci en tout cas pour ces flots sur le Corona. C'est avec ça qu'on va prendre congé de tous qui kiffent cette émission. Borkunia Magana, Nyeizo, Ianono, Ilalono, Amigana, Nyeizo, Alborei, Borei, Boromen Kamba Respectons les gestes de barrière. in kunne ya ji iski ya shera hey mu dawo fara inda muke na muna hira tare da matasan wanda muka gayyata yau muna tare da Zainab eh, Bubakar Zainab Bubakar dai elle student ɗan mata ne muna tare da samari wanda muke tare da su Papis Chemago shi kuma animator kin Blue Open sun ne muna to muna tare da Zainab locket ita kuma amarya ce ita ce amarya a cikin mu <laughs> yanzu mun ji a anda suka yi wannan azumin a nasu gaye kamar abin kai dai sai dai a hankali daga nan sai a cikin studio kananguru na kwara kano yan san mu zo mu yi zancen sukari mun san da wannan sukarki yana da mahimmanci a wajen matasa musamman ma 'yan mata cikin wannan rahoton na fadal alu matasan gaya sun yi zance Ce lot de cadeaux est composé entre autres de paquets de sucre, de lait, des dates et une somme de 22 000 francs pour les habits de fête. C'est ce que ces jeunes ont pu offrir à leur future épouse, un acte considéré comme une preuve d'amour. J'ai amené du sucre, des habits et de l'argent pour qu'elles puissent se dresser. Ça peut varier de 25 à 30 000 francs. Pour certains, s'ils n'honorent pas cela, des conflits peuvent surgir. J'ai amené ce que je peux et selon mes moyens. C'est 15 000 francs que j'ai pu donner à ses parents pour qu'ils puissent s'acheter du sucre. À l'approche de la fête, elle aura ses habits. C'est une tradition et impossible de ne pas le faire. C'est obligé. Pendant ce temps, d'autres jeunes filles attendent impatiemment leur part. Sincèrement, moi, je n'ai rien reçu. Je ne sais pas si ça va venir ou pas. Ce qu'on donne aux autres filles, c'est ça que je souhaite aussi avoir. Moi, mon petit ami a l'intention de le faire, donc j'attends, parce que le ramadan n'est pas fini. Je veux surtout les paquets de sucre et les habits de fête. Cette pratique ne date pas d'aujourd'hui, mais elle a pris une autre facette ces dernières années, comme l'explique Ali Kaka, l'un des sages de la cour du chef de canton de Gaïa. Avec notre génération, on achetait du savon, deux pagnes, deux boîtes de pommade et avec à peu près une somme de 2000 francs. Ces pratiques d'avant et celles d'aujourd'hui sont différentes. Avant, la somme n'était pas colossale. Maintenant, ce n'est pas le cas. Malgré les difficultés financières que vivent plusieurs jeunes de Gaïa, ils s'obligent tant bien que mal à offrir ces cadeaux à leurs fiancés pour honorer les traditions papis Kaji matasange j'ai gai dole ne ma to ne a to eh dole ne a trouvé ça on a trouvé kai ka kai ko sikirkin na kai to il faut me laisser aller d'abord peut-être kai ka shiga mun cikin histoire kai ba me divertir ici na me ne on va aller tout droit au but tout droit mm. mm. ba <laughs> ya voilà Hein? Parce que on gagne avec Covid-19 et tout là. J'avais peur en fait. À quoi diabète un Tu es un beau parleur, hein? Voilà. Ah, tu es un beau parleur. Déjà, déjà il y a le Covid-19. Il y a suis comme tu es diabète. Deux maladies en même temps. Donc, il y a probabilité que tu aies Confinement. Merci. Il pas à Diabète, quoi. Donc, c'est ça. Comment est-ce que tu as un diabète? Tu as un diabète. Ah, on s'était il y a le syndicat. Vous n'êtes pas <laughs> informé. oui, j'ai vu le syndicat. le syndicat. Vous êtes entendu Oui, cette année, il ne faut pas que vraiment nous soyons. Eh, comment est-ce qu'on appelle ça Ouais, diabète, La hein? Covid-19, le confinement, le Covid, le diabète. Non, laisse-le, c'est un beau. c'est un un au moins là C'est eh, Comment est-ce que, future épouse eh. Eh, moi, je sais que pour amener le sucre, là, il faut que vous soyez, je sais pas, à un niveau où tout est presque fini. Tu sais que tu amènes ah, le sucre. Depuis là, toi, là, tu as à l'introduction. Non, j'ai introduit, non, j'ai fini. <laughs> J'ai fini. Je sais pas quoi dire en non, fait. Non, non, moi j'ai dit pourquoi j'ai pas amené. C'est pour, euh, c'est de peur de l'amener du, sucre. À force de prendre le sucre, j'étais comme un diabète chiné mais voilà on peut encore parler de ça eh, groupe électrogène pour les coupures groupe électrogène que ça la cherche ah, ah. zahi mana kai Zahim. Normalement in kana son dai kamata a ce kana zahi kan sanyi ta mata yawa kuma akwai ta yayi voilà voilà tout compris non, mais en fait, Papus, tu es, tu un beau <laughs> parleur. Merci. Euh, pas, ce ne sont pas des excuses pour ne pas amener le sucre chez ta belle famille. D'accord. Moi, je pense que c'est une pratique euh, qui a duré. Mhm. On peut même dire que c'est une hein. tradition. Non, effectivement, oui. Mais en fait, le seul problème, la, la seule différence, c'est que de nos jours, les jeunes, ils sont en train d'exagérer. Merci. Quand je dis jeunes, je parle de nous, les filles on exagère. en fait, ben voilà, je m'explique. <laughs> Quand tu as un copain qui, n'a vraiment pas les moyens et tu lui mets la pression, ben écoute, ma famille, ou bien disons ta sa famille, met la pression sur la fille pour que la fille demande le sucre à son, à son copain. Là, moi, je pense que c'est vraiment pas bien, c'est du n'importe quoi, parce que tu vas pousser euh, ton copain à soit aller escroquer ou aller voler. Si la personne n'a pas d'argent, <clears throat> c'est vrai, ça fait partie de nos traditions, mais bon, on n'est pas hum, obligé de, d'amener le sucre. n'est pas une obligation en fait. Hum, mais de nos jours, les gens font de ça une obligation. mais lui il n'a pas dit que bah voilà c'est pas pour que j'attaque une maladie hein, hein. et qu'il y a la pandémie déjà etc. Lui, il m'a ah. tout simplement dit qu'il euh, il va m'amener. Comme j'ai entendu une fille qui disait que son copain va amener, il n'est jamais trop tard. Je dit, mais détrompe-toi parce que c'est fini là. Si vraiment ton copain n'a pas le moyen de t'acheter un sucre et vu que le, les, les, les, prix, le hein. les coûts sont hein. montés, c'est monté. Au lieu de 25, ah. 28, c'est jusqu'à 35, 38, 38 000. Où est-ce que la personne. Et dire qu'il y a la fête aussi qui, voilà. qui arrive. Et surtout, Et surtout, voilà, je vais <laughs> vous montrer. Eh, surtout, avant, bien, euh, bien avant le mois du Ramadan, il faut dire que on a fait plus quatre semaines que presque les, jeunes, les jeunes ne faisaient rien. Euh, les activités ont été carrément arrêtées oh, par les autorités. Non, c'est ça. Donc, ça contribue au laï c'est surtout ce que moi eh. c'est surtout ce que c'est surtout Bah, bah, bah, c'est ah, surtout ce que la maladie la, pandémie a touché l'économie surtout les gens n'ont rien il faut aussi le dire ah, Ok, ok kai suka riba nemo kayan sallah to ya fara su sai ana za kai kayan sallah amma da rena mun bata irin nan su sikin kayan sallah ta ma na san sai kare ina so in dan dawo bisa eh, ni gaskiya gani nake eh, harka sukarin nan sai quelque chose de très important bai kamata ba a ce an bar shi parce que yana ça, ça fait chaud oui c'est vraiment ça fait chaud au cœur ça fait plaisir de voir ça nous identifie aussi comment mhm. c'est notre tradition c'est ah, notre culture voilà <laughs> mais bon du moment où maintenant si euh, sucre yana tsada kwarai pourquoi ne pas remplacer ça par quelque chose de moins cher et plus utile Moi, je pense. Euh, des comme... par exemple. Oui, tahi, c'est plus utile. Même les prix de shinkafa ils, ont, augmenté. c'est quand même moins cher que, le sucre. c'est pas une excuse. On a un an pour préparer Wangabon. Eh, un mm, an. On n'a pas, que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. Parce que vraiment. C'est tout ce qu'on demande. Oui. tu sais que tu dois le faire. Comme quand tu as un an pour préparer quand Donc, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Voilà. Ah, euh, a sama sama tsakanin idan yara sai kallo aba sama cibiyar nisa sama sama tsakanin ki da yara sai kallo <laughs> mata mu dawo fara inda muke muna hira tare da matasan wannan shirin namu dai ya kusa zuwa ya kusa karewa muna nan siyar shi na studio kalanguna ne muke nan muna hira tare da matasa bisa kan yana da suka suka wannan azumin cikin wannan tare da wannan ciwon na covid-19 <clears throat> wannan sabon yanayin sun gaya mana dai abin da ku dai sai a hankali wasu rashin zuwa masallacin wasu dai abin bai musu daɗi ba wasu kuma sun ɗan ji daɗin abin Allez, liƙe gida ba a ina to <laughs> accueillir euh, Olivier Oui, ça va bien et toi, Ravi Ça va. Vous parlez dessus, vous parlez de dates. Je vois qu'il y a un représentant. Je te dis. <laughs> toujours, de, toujours debout. <laughs> voilà, sur la manca. Ravi, ce soir, on va parler de la solidarité. Mhm. Bonsoir à tous. J'espère qu'on est tous solidaires où qu'on soit, n'est-ce pas ah, oh, oui. D'accord. Et nous <laughs> espérons que cette valeur se perpétue. Elle est l'une des valeurs fondamentales de la société africaine. En Afrique, face aux besoins et la précarité, les hommes pouvaient compter sur le soutien social, celui de leurs voisins proches ou lointains. Mais ça, c'était avant. Dans la vie de tous les jours, la solidarité nationale se fait sentir. Au Niger, à travers les faits et gestes de chaque citoyen. Au fil des années, c'est un constat, cette solidarité est mise à rude épreuve. De plus en plus, les hommes vivent dans la méfiance. Quoi de plus normal quand on a peur pour sa vie et ceci, c'est face à la montée du banditisme, la multiplication des scènes de braquage, des initiatives solidaires comme aider un passant au bord de la route, accueillir un étranger ou encore assister une personne en danger sont devenues de plus en plus rares. On se demande alors dans quel monde nous vivons et surtout quel monde allons-nous laisser à la génération à venir. Pour ce, j'ai rencontré le sociologue Alou Issa Aye. Il soutient l'idée selon laquelle l'influence occidentale serait l'une des causes de l'abandon de la solidarité africaine à la question de savoir quelles pourraient être les conséquences de ce recul de l'élan de solidarité sur la jeunesse et la génération à venir il répond. Parce que nous, peut-être, nous avons été influencés. Mais nos enfants que nous allons mettre au monde, les enfants que nous allons former, que nous allons éduquer sur cette base d'individualisme, de non-solidarité, de chacun pour soi, et bien malheureusement ces enfants-là vont évoluer avec cet impact et ils vont vouloir perpétuer la même chose de génération en génération. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faudrait véritablement revenir à ces valeurs primaires qui ont fondé nos sociétés. Alors si dans nos sociétés modernes la chaîne de solidarité se brise, on se demande si l'on peut avoir espoir en un monde meilleur. Je pense qu'on peut avoir espoir en un monde meilleur, surtout Malheureusement, je le dis bien, avec euh, la situation actuelle que nous sommes en train de vivre, la situation de Covid-19 a ébranlé le fondement du monde actuel. Elle a mis en mal le système économique qu'avait développé l'Occident et surtout les valeurs sociétales que eux ils sont en train de vouloir prôner. Aujourd'hui, le monde est en train de devenir beaucoup plus solidaire. L'homme a compris qu'il est fragile. Or, face à un ennemi invisible, l'homme, l'humanité tout entière se retrouvée fragilisée, je pense que nous sommes en train de prendre conscience qu'il y a nécessité de créer une dynamique de solidarité afin de pouvoir survivre et surtout surmonter les différents obstacles qui peuvent se dresser à l'humanité. La solidarité et l'entraide sont des ciments de nos sociétés, ici en Afrique et au Niger en particulier. Dans un monde en mouvement avec des crises à répétition, soyons solidaires et quoi qu'il en soit, aidons-nous vivre. Et nous vivant. Merci. Merci Olivier. <laughs> Merci beaucoup Ravi, merci infini. évolution muito vous so évolution voyez ça commence un peu à se détendre en bout de masalatai. Um, vous le feu Est-ce que ça veut dire qu'on peut fêter au moins avec euh, un peu d'ambiance quoi. Euh, oui bon, c'est un peu relax mm. maintenant dans la tête mais pratiquement je pense que ça va être encore un peu difficile parce qu'il y a toujours la maladie qui circule. donc, on fait toujours attention. Et peut-être, euh, même la mosquée, moi, jusque-là, euh, j'y vais pas. Hein, parce que. <laughs> ah là là, ça me donne même plus. Pas plus. Je passe à ah, toi. Parce qu'elle, là, c'est fini. Je ah, sais qu'elle a peur de tout. <laughs> pas plus. Alors, cette évolution, comment tu, tu la sens, toi oui, bon, Changement, comment dans la tête, oui, on est là, on est calé. Je sais que je suis libre d'aller là où je veux maintenant, je vais sortir. Mais jusque-là, je dois faire attention. En tout cas, pour la maladie, ça c'est une chose. Et autre chose encore, pour le mois béni du Ramadan, mhm. dans ce mois, tout n'est pas permis. Il y a des mhm. trucs, ah mais oui, tout n'est pas permis. <laughs> jusque-là, c'est pas totalement. Peut-être d'ici la fin du mois du Ramadan, les gens seront libres si toutefois la maladie aussi décide de nous laisser en paix. Voilà, et de nous laisser tranquille. tranquilles. Zainab, y a que je ça change un peu maintenant, là, quoi. Au moins, tu peux sortir dans le quartier, ah, même oui, je peux même aller euh, prendre une glace. Une glace <laughs> Ah là C'est ce qu'on a retenu. Elle, a peur et toi, tu aimes les glaces. <laughs> Contrairement à ma grande soeur, moi, hier, j'ai été à la mosquée pour prier et ça m'a vraiment fait plaisir. Ah oui En fait, je me suis dit. T'as pas eu peur Non. Ah on était en train de prier et il y avait une dame qui toussait. Je me suis dit, oh, ben, elle, a, elle a quoi j'ai eu peur, je me suis décalée un peu. J'ai mm. dit, eh ben, écoute, la dame là, qu'est-ce qu'elle elle a quoi C'est quel genre de, comportement ça On était en train de prier. Je me dis, mais, mais, ça, c'est quel genre de comportement Je la regarde quand j'ai dit, ok. Et je, je, me suis reculée un peu. Uh-huh. Franchement, ça fait plaisir euh, les réouvertures, réouvertures des, des, endroits, des lieux cultes, de culte. Euh, on espère vraiment, avant la fête, on puisse ouvrir même les frontières, qu'on puisse permettre à nos camarades, à nos sœurs qui sont les, restaurants. tout ça, on, ah le souhaite. <laughs> surtout les restaurants. Surtout les restaurants. les frontières d'abord. dai wannan fadar tamu da muke tare da wannan matasa namu ta zo karshe mun gode musu da suka amshi kiran namu to duk da dai sun ce duk da dai an buɗe masallatai duk da dai yanzu an hida kofofin anan birnin yamai har yanzu dai akwai masu tsoro <laughs> na fila ma ba a har tafiya ba <laughs> wata kuma ta tayi na fila ta ji tari ta sha da baya <laughs> To, yanzu sai gobe kun haɗu da abokin aiki na dondi. Shi kuma zai hira bisa kan duka shirye-shiryen sallah, abubuwan da ake nan ga yi, wanda ba a samu a yi duka tare da shi za ku hira da za yi tare da wannan matasan namu. To, mi za mu ce? A huta lahiya. Sai mun ƙara haɗuwa cikin wani shiri hallo na fada Samuel kada ku mance. 80 06 bisa kan shi kuke aiko mana ra'ayin ku bisa kan wannan shirin namu.